d'être 11h et partout au Niger, chères auditrices et auditeurs du studio Kalangu. bonjour à vous. C'est un plaisir encore une fois ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 5 juillet 2023. Au micro, c'est tout simplement Ali Munkela Ouseni, alias Seno 50%, et à mes côtés, Fanta Chamsou. La technique d'aujourd'hui est assurée par Mustafa Ayuba et à l'édition, nous avons la grande dame Adama Dawaki. Alors Fanta, en forme ce matin Bien sûr Seno, je vais bien et toi Ça va. <laughs> Alors code 9 eh bien, Fatin, ce matin, euh, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information qui nous sera présenté par Mokhtar Hamadou. Une bonne dose de musique 100% nigérienne sera servie à nos auditeurs scotiers. Comme d'habitude, bien sûr, c'est nous. Et dans la rubrique Éco des régions, nous resterons à Niamey pour parler de Taneri. Il y aura également la page sportive de la culture linguistique du loti avec le desk femme du studio Kalangu, sans oublier la rubrique hebdo environnement et enfin nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Et comme invité Fanta, ce matin nous recevons Ousseini Idrissa, il est fondateur et directeur de la toute première école privée de journalisme et de communication au Niger, ESGC. Avec lui, nous allons parler hein, de la formation et du métier du journalisme. chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta Chamsou, bonjour Ali Moukela Ousseini. Le flash d'information de ce mercredi à présent, le président de la République, Bazoum Mohamed, a reçu hier mardi le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, en marge de son séjour au Niger. Selon le responsable onisien, le Niger héberge à peu près 300 000 réfugiés des pays voisins, à savoir du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria et autres. Et à cause des répercussions des crises, le Niger fait face à un problème de déplacement aussi, il dit avoir rassuré le président nigérien que l'appui du HCR des Nations Unies et à travers la communauté internationale dans ce domaine va continuer. Les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023 ou session des lois ouvertes le 6 avril ont pris fin hier mardi 4 juillet euh, dans son discours de clôture, le président du Parlement, Seyni Oumarou, a relevé qu'à l'occasion de l'examen des différents projets de ratification, les députés s'étaient particulièrement réjouis de constater la fin de l'état d'urgence dans une partie de la région de Tilaberi. Il s'agit là d'un immense soulagement pour les populations concernées et d'un signe éclatant que notre pays progresse résolument sur le chemin le conduisant à la victoire sur les forces du mal, s'est-il réjoui. Après des mois de questionnement, le président sénégalais Macky Sall a finalement annoncé qu'il ne va pas participer à la présidentielle de février 2024. Ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à l'élection même si la Constitution m'en donne le droit, à déclarer le président lundi soir dans une allocution à la radio et télévision sénégalaise. C'est tout un pays qui était suspendu à ses lèvres euh, ce lundi 3 juillet alors que le débat sur son éventuel troisième mandat cristallisait les tensions dans le pays à huit mois de la présidentielle. Depuis sa réélection en 2019, le président avait refusé de répondre à la question de son éventuelle candidature en 2024. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 5 juillet 2023. Merci Mokhtar pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons M. Ousseni Idrissa. Je rappelle qu'il est le fondateur et directeur de ESJC, École supérieure de journalisme et de communication au Niger. Bonjour M. Ousseni, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. <laughs> Bonjour monsieur. Alors euh, avec vous ce matin nous allons parler de la formation en métier de journalisme. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter le premier titre de notre playlist du jour. Il s'agit d'Erda de l'artiste Barakina. Barakina, yamu da yamu da yamu da mu ban da yamu da yamu da yamu da yamu da ba mu yadda da kowa ko kadan ba mu yadda da kowa ko kadan ba mu yarda da kowa ko kadan ba mu yadda da kowa ko kadan na buga musu shamadara na buga musu zanzana na buga musu mi aka yi da isan mi yasa suke nema na ku dai ba ku yarda da mu ba idan mu ma ba mu yarda da ku ba in kuma ke ma ba ki yarda da ni ba kenan eh, ni ma ban yarda da ke ba bayan Allah na yarda da ku voilà, chers auditeurs, euh, Auditrice, euh, vous venez d'écouter le titre Yarda chanté par l'artiste Barakina Banwan Allah, un artiste talentueux qui fait la fierté hein, de la musique urbaine nigérienne. Récemment, il a remporté le trophée hein, du meilleur artiste de la musique urbaine de la sous-région. Nous aurons bien évidemment la chance de le recevoir avec nous dans le dernier rendez-vous de la semaine. Il s'agit bien du vendredi après-demain pour parler de sa carrière musicale et de, sa, et de son magnifique trophée Remporté il y a quelques jours de l'autre côté du Burkina Faso. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, nous revenons au studio avec notre invité du jour, M. Ousseini. Alors, M. Ousseini, en tant que fondateur et directeur d'une école de journalisme, que pensez-vous du métier de journalisme au Niger En tout cas, euh, merci une fois de plus. C'est avec un grand honneur que je réponds à, cette invitation qui, qui nous honore en plus d'un titre. Mm -hmm. Et puisque euh, aujourd'hui, c'est une référence ici, en tout cas au Niger. Mhm. Alors, euh, euh, le métier, en parlant de parler du métier du journalisme, il faut parler de l'évolution du journalisme un peu. Mhm. Parce que euh, les années 90 qui, ont constitué, en tout cas, qui a permis l'évolution, la libéralisation de l'espace médiatique au Niger, a vu l'explosion, en tout cas, de plusieurs types de médias, les radio, la télé, et ce qui s'ensuit. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes à plus de certaines de radios ici sur place à Niamey. Mm-hmm. Et donc, euh, ça, c'est vraiment une avancée énorme à, souligner. Mm-hmm. Quant aux méthodes de journaliste, euh, ça, monsieur journaliste, ou bien le journaliste au Niger, euh, c'est un métier, en tout cas, que je dirais noble. Mais avant de répondre, il faudrait aussi souligner euh, quelque chose de très important. Le journalisme, la première fonction du journalisme, parce que le, journalisme a pour première fonction de servir la société, mhm. de servir la société en l'informant mhm. et également en assistant le débat démocratique mhm. pour soutenir en tout cas le développement économique, politique, social et culturel. Alors, partant de, cette euh, première fonction qui, qui, je pense bien que, auquel tout journaliste aspire à répondre, je dirais qu'aujourd'hui, le métier est en forme, de d'expression. Mhm. Aujourd'hui, on a une grande évolution dans le, contenu même, le, contenu même de, qui, est livré aux téléspectateurs et à la population du Niger. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un métier qui connaît également un grand essor et qui on est, euh, en tout cas, à côté, il y a plusieurs métiers du corps qui sont en train d'être développés, mhm. parce que seul, à lui, ça ne suffit pas. Mhm. Donc, je dis tout simplement que c'est vraiment un métier qui connaît aussi du beau lendemain, ici au Niger également. Mhm. et côté formation et voilà, et côté formation qui, qui m'intéresse en tout cas plus d'un titre. aujourd'hui, euh, comme vous le savez, le, le, journalisme est en évolution également. Et ah, surtout avec l'ère du numérique, il y a beaucoup de choses qui doivent être évoluées et ça doit être classé au diapason du développement numérique. Mhm. Alors, c'est ce qui nous a amené, nous, en tout cas, au niveau de l'école privée de journalisme, mhm. de, proposer, et, à côté de l'existant, une autre forme de, de, de, formation qui prend en compte toute la palette. ok toute la palette du métier. C'est-à-dire vous avez la radio, la télé, la presse écrite et la presse, à la, presse en ligne. Mhm. Alors, nous, nous formons nos, jeunes d'abord en formation initiale, avec une spécificité que nous, nous offrons également le BTS. Et en plus BTS, vous avez la licence. Au-delà de, cette formation initiale, nous sommes sur la formation continue. Parce que vous ne pas sans savoir, il faut aussi renforcer l'existant. Mhm. Si on dit que les choses évoluent, il faudrait aussi que l'existant évolue. Les anciennes pratiques le journalisme classique, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il n'est pas d'actualité, mais il a, évolué. <laughs> il faut que ça évolue. Il faudrait que le, journaliste. du numérique. le mhm. journaliste soit un journaliste plein, mhm. qui qu'il soit un touche à tout. Exact. nous, c'est notre vision, c'est notre objectif, en tout cas, pour former ces jeunes, mhm. nos, nos aspirants journalistes et l'existant également. Mais au-delà, pour amener la formation partout au Niger parce que vous n'êtes pas sans savoir, le Niger est vaste, extrêmement vaste, et il y, a beaucoup qui veulent venir à Niamey se former. Mm. Mais malheureusement, pour des conditions multiples, ils n'arrivent pas. Mm-hmm. Donc nous, nous, apportons la formation directement dans les localités. Partout où vous êtes au Niger aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire chez nous grâce à notre plateforme e-learning extrêmement sécurisée pour d'abord vous former en initial, mais également renforcer. Et si vous êtes déjà un professionnel, vous êtes à l'avantage que vous êtes dans votre rédaction. Vous ne bougez pas. Vous êtes dans votre famille. Alors, euh, est-ce que. Avant de continuer, Seno, je mhm. sais que tu as tout plein de questions pour M. <laughs> Ousseini. Il est temps de faire notre deuxième pause musicale avec le titre Dongo Maye du fait Moussa Poussi et Sadbouri. Exact. C'était le morceau Maye. Retour au studio avec notre invité, M. Ouseni Idrissa. Alors, beaucoup de jeunes ont embrassé le métier du journalisme dans des écoles, mais finalement, bon nombre d'entre eux font des métiers eh, qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Selon vous, est-ce que le métier ne nourrit pas son nom ça, vraiment, c'est. En tout cas, c'est une question. <laughs> Surtout ici au <laughs> Niger, Évidemment, c'est une des raisons qui, nous a motivés également à créer l'école. OK. Parce que euh, on a mal quand un jeune frère s'inscrit dans une école de journalisme et qu'à la, clé, à la fin, avec un bon diplôme, il, n'arrive pas à exercer sa profession. Et ça, et nous, en disant, il faut apporter notre contribution. Mm. C'est pourquoi, dans, la formation qui prive chez nous, nous formons également nos, jeunes euh, aspirants journalistes mm-hmm. à devenir des, entrepreneurs dans, dans, le secteur du média. Aujourd'hui, l'entrepreneur est possible dans le secteur du média. Vous pouvez exercer votre formation et votre, votre diplôme, votre profession en tant que libéral en tant qu'entrepreneur dans le secteur du média. Freelanceur comme en, freelance ou peut monter une entreprise de médias. Mm on Ici au Niger, c'est possible. Mais vu que eh, dans l'ancien système, ce n'était pas prévu dans le cursus de, de, les initier à cette façon de faire d'être des entrepreneurs, beaucoup se trouvent, comme vous l'avez si bien dit, à faire autre chose et ce qui constitue également un frais énorme. Énorme. Parce qu'aujourd'hui, dans, dans, nos foyers, dans, nos euh, familles, quand on vous dit vous allez vous inscrire en journalisme, on dit non, je, pourrais être un grillon moderne. C'est juste pour, venir chômer. Alors que c'est un métier noble. Et noble. Et donc, moi, j'encouragerais encore, encore les jeunes qui souhaiteraient encore embrasser cette carrière de ne pas hésiter. Mm-hmm. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, l'évolution du métier a permis également une panoplie de propositions, une mhm. panoplie de solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est mhm. notamment l'entrepreneuriat dans le monde des médias. Exactement. Voilà. Alors, votre école, le SJC, si je me trompe. Le SJC, c'est ça. Mhm. Alors, quel est le plus que vous comptez apporter ah pour le rayonnement de ces métiers Est-ce que vous avez des formations vraiment spécifiques Parce que ici, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que les journalistes font du tout. Il n'y a pas des, euh, <laughs> des branches spéciales. Et, évidemment, et ici, pourquoi ce constat mhm. Parce que l'existant n'offre pas de, métiers de spécialisation. Mhm. Vous rentrez, vous êtes en audiovisuel, en presse qui tout ça, la licence. La plupart n'ont pas la chance d'aller à l'extérieur mhm. pour poursuivre un master quelconque. C'est la licence de PASTA. Peut-être maintenant, avec la nouvelle génération, les choses vont bouger. Alors, nous, notre plus. Parce que euh, l'ouverture de cette école, n'a pas été fortuit. Mhm. le, projet qu'on a porté pour avoir nos autorisations de création d'ouverture avant la présence physique, mhm. c'est un projet qui a été minutieusement ausculté, mhm. en tout cas par le ministère de tutelle, et qui a vu que au finish, le résultat est là. Alors, l'apport de notre école, c'est tout simplement de mettre à la disposition d'une rédaction nigérienne qui souhaiteraient des journalistes accomplis. Je dis J'ai dit accomplis parce que c'est qualifié, parce que tout simplement, ils se reconnaissent toute la panoplie du, métier. Et ils ont plus la main. Le journalisme, ce n'est pas que la théorie. Il faut que ça se pratique. Et pour que cela soit, nous avons mis un dispositif d'accompagnement personnalisé avec des infrastructures, des outils mhm. modernes pour que nos jeunes, une fois qu'ils quittent l'école, S'ils ont envie d'aller dans une direction, qu'ils aillent tranquillement et soient automatiquement opérationnels. Ok. Alors, ça fait combien d'années déjà que votre école existe Alors, euh, l'école a eu son autorisation de création en, septembre 2020. Ok. Et en 2021, précisément mai 2021, nous avons été autorisés à ouvrir nos portes. Ok. Et donc là, nous, sommes sur notre deuxième année. Mhm. Nous sommes sur notre, première promotion. Et c'était vraiment une petite promotion parce que pour nous, L'idée, ce n'est pas avoir 1000 étudiants. L'un de nous, cette prétention, on voudrait d'abord que nos, étudiants qui sortent, nos, nos, promotions qui sortent, en tout cas les deux premières, puissent être reconnus par la profession, qu'ils puissent montrer leurs valeurs, qu'ils puissent accomplir des choses extraordinaires pour apporter un plus dans le métier du journalisme. Et que dans les rédactions, qu'ils aillent, qu'ils vont les recruter, qu'ils il, contribue également à développer, à moderniser aussi ces, rédactions. Mhm. Donc vraiment, c'est des, confrères, des, prochains confrères, mhm. et vraiment accomplis, bien outillés et prêts à la consommation, comme on dit, l'expression. <laughs> <laughs> Alors, votre école est-elle mhm. en partenariat avec euh, d'autres écoles de journalisme qui sont à l'extérieur Oui, nous, nous, sommes en partenariat avec euh, pratiquement trois écoles. Et, l'une des motivations de ces partenariats, d'abord, nous avons remarqué dans le diagnostic du départ que la plupart des jeunes inscrits en journalisme au Niger, en tout cas dans toutes ces années, la plupart, ça reste, n'ont pas une offre. Ça reste à la licence, comme je disais tantôt. Alors, l'idée du partenariat pour nous, c'est d'aller chercher là où il le faut mhm. pour que nos jeunes d'abord, qui, sont déjà diplômés, qui sont licenciés, ok, puissent avoir l'opportunité d'aller ailleurs, poursuivre leurs études. Savez-vous qu'au Niger, vous dites, prenez un million, amenez-moi un docteur en journalisme, vous allez, vous allez rater ce million. Tout simplement. Voilà, ça sera tout euh, pour euh, aujourd'hui, Monsieur Ousseini. Merci vraiment de nous avoir honorés de votre présence et aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Sinon, on fait une pause et on se retrouve juste après. Sans souci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, c'est nous l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et justement, nous allons parler environnement et ça sera de la région de Maradi. Oui, la région de Maradi, surtout sa zone nord dite pastorale, est menacée par la désertification depuis quelques années. Elle se caractérise par des dunes mouvantes au gré du vent. Pour euh, le directeur général de l'environnement, le colonel Lawali Soumeila, plusieurs actions sont en train d'être euh, menées pour euh, non seulement stopper l'avancée du désert, mais également rendre fertile certains sols appauvris dans les zones de culture. Il est interrogé hein, par Mohamed Maman. Dans le cas de Maradi, il y a des zones, par exemple, avant, qui n'ont pas, en fait, où vraiment les dunes de sable, même si ça existe, n'étaient pas des dunes mouvantes, mais aujourd'hui, on a commencé à avoir vraiment une nouvelle activité des dunes, notamment au niveau, donc, de la zone de Bermou, un peu d'accord. Aussi, à ce niveau, vous avez des endroits au niveau de Bermou qui sont devenus des plages nues, où même l'herbe ne pousse pas. Ça, c'est un aspect de dégradation des terres, euh, en tout cas, qui est en train d'être poussé, vraiment vers l'extrême, si on peut le dire. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, il y a des dunes déjà, la désertification commence à s'installer mm. et que ce, sable est mouvant Ce qui explique, c'est les mauvaises pratiques de l'agriculture et de l'élevage. Quand vous prenez par exemple la zone de bermont d'abord, c'est des zones qui sont marginales et aujourd'hui, l'agriculture est en train de remonter vers cette, ces zones marginales-là. On est en train de les mettre en. Donc, en les mettant en culture, on favorise la dégradation des terres. Mais il y a aussi la récurrence des faits de brousse. Par exemple, dans les zones qui sont restées pastorales, il y a la récurrence des feux de brousse et il y a la chuchage pastorale. Par exemple, tout autour des points d'eau ou bien des zones qui sont vraiment euh, dans les proximités des points d'eau, vous avez des plages nues mm. où il n'y a pas d'herbe parce qu'il y a cette chuchage pastorale. <coughs> il y a aussi le mauvais maillage des, plans, des points d'eau. Donc, le mauvais maillage des points d'eau peut entraîner effectivement une mauvaise exploitation de, la source pastorale, donc à travers la chuchage pastorale et ça peut entraîner la dégradation des terres sont les conséquences de cette désertification avancée La conséquence, c'est que le terrain va devenir improductif. C'est ça vraiment la véritable conséquence. Et sur le plan, par exemple, pastoral, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire que vous allez voir que les animaux ne vont pas trouver à manger. Et si les animaux ne trouvent pas à manger, vous voyez, il y a une implication qui est là. Soit ces animaux-là bougent pour aller dans un autre endroit. Ou bien, s'ils restent là, il faudrait que l'éleveur se débrouille pour amener du sang, ou bien l'État, en tout cas, fournir du son, même si c'est en période hivernale. Parce que s'il n'y a pas l'herbe, il n'y a pas d'aliments. Même si on dit que la zone est pastorale, si cette zone-là ne produit pas, si c'est une zone qui est dégradée, l'animal ne trouvera pas à manger. Donc il faudrait que l'éleveur se débrouille pour chercher du son pour nourrir son animal. Parce que lui il ne peut plus revenir dans la zone, dans la partie agricole, parce que déjà là c'est semé et les cultures atteint un stade où lui l'animal ne peut plus revenir. Donc il est obligé de rester là-bas au nord. Et si au nord, il n'y a pas de pâturage, vous voyez ce que ça fait. Soit il redescend et c'est le conflit entre les agriculteurs et les l'éleveur. Soit il reste là-bas, il est obligé de vendre dans son troupeau pour chercher du son, de blé pour nourrir ses animaux. C'est-à-dire qu'en Maradi, c'est seulement la zone nord de la région qui est confrontée à cette situation de désertification ou bien même dans la bande sud dite agricole, euh, il y a des poches de désertification Non, dans la bande sud dite agricole, bon, je ne pense pas. Il y a peut-être des endroits où il y a des glacis. C'est des endroits qui, là où les gens cultivent, il y a des glacis. Il y a certains endroits, c'est des aires de pâturage qui sont devenus effectivement aussi des glacis. Mais sur lesquels maintenant, bon, avec l'appui des partenaires techniques français, on est en train de faire quelque chose pour les régénérer. Ah, justement, la situation commence à être critique, surtout dans la zone nord. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire pour euh, les dégâts Ça, ce qu'on est en train de faire, effectivement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, comme j'ai dit, il y a des activités, par exemple, dans la zone, dans la partie agricole, au niveau des aires de pâturage. En fait, il y a des, millions de pastoraux qui sont en train d'être faits dans les parties au niveau des aides de pâturage pour pouvoir réensemencer, c'est-à-dire faire un ensemencement des herbacées fourragères pour favoriser effectivement la production fourragère et permettre aux animaux de trouver à manger. Maintenant, au niveau des champs de culture qui sont devenus des glacis, il y a aussi des activités de récupération des terres qui sont en train d'être faites pour permettre aux agriculteurs de semer à travers, par exemple, les ailes qu'on appelle tassa, ou bien à travers euh, les démolines agricoles qui permettent vraiment aux agriculteurs de pouvoir s'aimer et produire. Au niveau des terrains qui, en tout cas, la première euh, chose, au niveau de l'État avec son état de dégradation qui ne produisait pas. Même si vous semez, vous avez vraiment une production qui tombe vers zéro. Mais avec la récupération des terres, vraiment, on a une production vraiment qui est trois à quatre fois plus que la production initiale au moment où c'était des terrains qui sont dégradés. Maintenant, au niveau de la zone pastorale, là aussi, il y a d'autres projets comme par exemple le PRAPS qui est en train de faire des activités d'ensemencement et de récupération pour des endroits qui sont en tout cas d'ensemencement de, des choses. Maintenant, il y a un autre aspect qui est une dégradation qui n'est pas observable. En fait, que quelqu'un ne peut pas, euh, que celui qui n'est pas bien avisé ne peut pas comprendre que c'est une dégradation, mais c'est une dégradation qualitative. Voilà, chers auditeurs, à présent, on va écouter la troisième musique de notre playlist. Mhm. N'est-ce pas, sinon ça sera Guest Band <laughs> avec le titre Dunia. bakin kwadai ta tamu na bakin gashi ya tsaya a makogoro kalkaci kalkasha rabon wani Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Dunia du légendaire orchestre guest band de la ville d'Arlit, un titre à travers lequel le côté éphémère de la vie est évoqué par ces artistes aguerris qui, depuis hein, des années, à travers des titres aussi significatifs les uns que les autres, font bouger les mélomanes. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on passe à l'écho des régions effectivement, Fanta. Et aujourd'hui, nous restons à Niamey pour parler de tannerie. Celui avec qui nous allons découvrir ce métier est originaire de Madawa, région d'Ottawa. Il s'appelle Asman Moussa et c'est un métier qu'il a hérité de ses parents. Le tannage, c'est un procédé chimique qui consiste à établir des liaisons entre les fibres de collage de peau pour les transformer en cuir. Et selon lui, le tannage s'effectue avec du sel minéral. Il explique au micro de Moutari Mamadou. Yanzu ina ganin na kai shekara kaman talatin da shida ina aikin fata. Kuma ban da wata sana'a bilayi sai ita inda a kare mutunci na. Gaskiya muna kokari bisa kanta shine aikin mu kuma shi muka ci mu sha. Shi na mun ka ga iyayenmu da kakannin suna yi. Mu ma muka riƙe muna ganin kuma amfani shi. Kenan ka gaji wannan sana'a ne? Eh na gade ta. Kuma a taimaka ma 'yan uwa waɗanda a kusa gare mu da Da wajen waye, wajen mata da wajen gidan uba haka duka ana dan kulawa da su ya Allah samu. Wa yake kawo ko aiki? Eh to akwai mutane da dama waɗanda ke kawo muna. Da da muke malin nan guzayen na mali duk suna ke kawo mana fata ana gyara musu suna biyan mu kuma gaugauce kai tsaye dai an kawo su biyan mutum shi ɗauki kayan shi shi baka kuɗin ka ɗauka amma matsalar nan ta mali dai ita ce ta kawo yanzu abin sai dai addu'a kawai kuma ga najeriya kamfuna sun bar ɗaukar fata da ya kamata yanzu ɗan fata daya in za ku yi mishi aiki ku je mai shi ya kasance yadda za a iya amfani da shi nawa kuke yin shi guda ɗaya. To kamar yanzu dai ga yanayin kasuwa ko ana cikin dai lokaci kamar dai jaka guda ake gyara shi amma ga can baya ɗari uku ko jaka da hamsin ana gyara. To bayan fata a sarrafa ta a ta mata gashi akwai kuma wanda ake agalemi wanda yanzu haka ya fara bacci nan kuna gyara fata ta zama agalemi ƙwarai ko abin da ya ci gaba na muna yi tun da ka san abuna tun na ga uwaye da kakanni shi na an ka gada to mutane yanzu yan barikin nan duka wasu sun rike kuma wasu sun saki tun da can bayan nan agalumma da dama ake kawo, to wasu suna iya a su kawo wajen su zaka su doka sai su zakwa doka kuma wasu kan har yanzu suna kawo kuma ya an gyara sai zaka su doka kasa aikin nan na gargajiya da yake wani yana iya zuwa sai ka iske an saba hmm. Aiki aikin hannu duka sai dai a hankali yanzu in aka ɗauka agalemi akwai yadda kuke sarrafa shi yanda fata za ta daɗe ana iya amfani da ita ya kuke mata to ana samu kamar inda ya na an ka samu gishiri ya samu kamar sati daidai da gishiri ne aka shanya ya bushe aka kawo shi in Allah su da aka sahi cikin bagaruwa aka gyara to ana jima ana yin hannu da shi inda ya azana a yi sallah masallaci sannan mutane suna kawo na yi musu a suna kaka alhamdulillah gaskiya jama'a suna ka a galin ma sosai da sosai bali ma yanzu da fata batta da daraja irin yadda ya kamata duk wanda da yanka rago ne na layya yana ba da sadaka su kuma maluma ko almajirai su kawo su ce a gyara musu ana iya gyara 500 bakwai jika hudu jika biyu karami babba har tara ana gyara shi to ganin an zo wani zamani yanda irin wannan sana'ar ta tana da wahala kahin eh, a karasa aikin kuma kuɗi su shiga shin ko ƴaƴanku suna sha'awar wannan sana'a kun dan koya musu to wallahi muna koya musu akwai wasu suna kokari su iya ko ba gaskiya ba tunda kaga yanzu akwai fannin furuje-furuje na zamani da ke shigowa saboda haka muke gwada ma yara tunda ka gani yanzu akwai waɗanda ke kula kamar furuje-furuje na fata gaskiya alhamdulillah akwai um, abun tasuwa da suka yi muna na an ci gaba kuma mun ga haka nan gaskiya billahi an ci gaba tun gadin gadin tun yadda aka koya muku a da shine kuke amfani da su ba eh, samu irin fasaha ta zamani ba a ba mu samu irin fasaha ko da ba ku samu taimako ne ba ko yaya to ka san haraka sai a hankali ana samun masu kulawa kaɗan kaɗan ana ɗan tallafa ko ba gaskiya ba to yanzu kamar daraja kwata ce da ta rage ba kamar can baya ba in yanzu kamar ana samu a ce ana samun wadda ake ɗauka akuya can da kenan kaga fata ko ta yaushe tana daraja to yanzu inda an ka samu matsala rago ake ɗauka ba a san akuya shine matsala to me ya bambanta su wajen karhi eh to akuya tana da karhi sosai tunda ko eh haka din nan da aka yi ai buzaye sun hiba da karhi da akuya bisa rago kuna da yawa da kuke yi ko wasu sun bari to wallahi mutane ka san rayuwa sai a hankali da dama lokacin muna kai kamar mutum 80 muna aikin fata kaɗan kaɗan wasu lokaci ya kai wasu kuma sun koma gida suna ɗan lallaba suna lokaci lokaci da muke tira information tawa ana dai ɗan ƙara tunatar mu muna dai ƙara jan ƙarfi ya akwai tallafuffuka da aka yi muna alhamdulillah muna samu mu ƙara koya ma ɗiyan dai kuma mun koya musu Voilà, très informatif hein, cet entretien de Moutari hein, qui est avec nous dans ce studio. Moutari, Barka. Yauwa barka dai. Ya da dama? Tare da dama. Lafiya kalau alhamdulillah. Wannan jigon naka yana da amfani sosai musamman a wannan lokacin da layya ta huce. Masha Allah kwarai da gaske. bare idan ka lura a nan babban birnin ya mai da hwatu har yadda su aka yi a bakin titi idan ka huce. To maimakon a yadda sun nan ana iya ɗauka kai wajen su. wannan ba shakka kin san shi harka eh, sana'a fata sana'a ce wadda ta daɗe gadin gadin ko kuma in ce kakanni da kakanni wanda eh, kahin fasaha ta zamani da zo an san fata yadda ake sarrafa ta ai abubuwa na zamani to zamani ne ya zo yanzu sai kasance fatar an rage amfani da ita amma duka da haka duka da haka yanzu akwai wanda har yanzu suna mai da hankali akan wannan aiki na fata mhm. wanda suke jeme ta in kika je wurin yadda ake sarrafa ta ana amfani da ita yadda fasa'a ta daɗin ba mhm. ma ta zamanin ba abin zai birge ki sosai to mutari kamar yanzu a ce ni ina da masu yin takalman balka ko kuma wani takalma dai na fata ko wani abun amfani na fata ni ce zan ɗauki fatar in kai su gyara mini ko kuma a can ma zan iya sayi eto eh to amfanin da suke ko kuma in ce aikin da suke a nan gurin inda ake jima idan aka ce majema gurin da ake aikin fata ne mhm. kenan zai iya kasance kai za ka ɗauka fata wajen eh, masu yanka dabbobi ka kai musu ka aje mai maka mhm. jima mine ne za a sarrafa ta ne yadda za a yi amfani da ita ko ya kasance ai wasu abubuwa na irin takalma irin wasu abubuwa ko kuma abin da ma muka sani cewa da agalemi ko kuma buzu da ake mhm. bayani wanda ake sallaya wanda ake amfani da ita ana sallah to sai kasance yanzu zamani ya zo wani yaro ma in ka tambaye shi menene ma agalemi wani bai sani ba to amma kakanninmu yadda suka taso agalemi ne suka sani duk kin tashi kawai kika san kakannin kin san suna da agalemi wanda suna kula da shi sosai to su suna da wata hanya yadda suke sarrafa shi yadda agalemin ko da ma zaki bulaguro ne kina iya naɗe shi ki haɗa shi ki sa cikin jakarki ki bulaguro da shi da yanda wayanda waɗansu suke so kuma ya dan kwatanta min cewa wasu har akwai wanda ma suke ha mutane na san kana da bayani sosai amma mun gode nan za mu tsayar da kai duba da yanda lokaci ke hararan mu to na gode c'est non on fait pause ah? Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, place au sport à présent. Bonjour Soumana. Bonjour. Alors, euh, l'équipe de football du Niger, le MENA, des moins de 20 ans, s'apprête à participer à la compétition IFOAB. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est Oui, donc euh, cette compétition aura lieu à partir du 7 jusqu'au 21 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. En définition, c'est un tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Toutes les équipes euh, de football masculine et féminine de l'Afrique de l'Ouest participent à ce tournoi. Et il faut savoir qu'il y a deux zones de IFOA, donc IFOA A et B. Le Niger est dans la zone B avec six autres nations. Pour d'autres précisions, écoutons Adamo Munkaila, membre de l'association sportive régionale de Niamey. C'est juste un tournoi, les sept pays de la zone. Niger, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est ça la zone IFOA B. Le tournoi qui vous côté à Pigeon, c'est juste un tournoi genre pour déterminer le champion de la zone. Ce n'est pas qualificatif à quelque chose. C'est quasiment, on peut même dire un tournoi amical à mon sens. Et eh oui, donc euh, si l'IFOA zone B est composée de sept euh, nations, comme vient de le dire Adamou, la zone A est composée, elle, de neuf nations qui sont le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Sierra Leone, bon, la Sierra Leone, la Libéria et le Cap-Vert. Merci Soumana pour euh, toutes ces informations sportives. Fanta aujourd'hui, le portrait du jour nous amène à la découverte d'une femme vendeuse de glace. Oui, c'est nous. Elle est âgée de 47 ans, Achetou Abdoulaye. Elle est mère de 7 enfants. Elle a comme activité génératrice de revenus la vente de glace et du jus naturel, un commerce qu'elle exerce depuis plus de 23 ans au marché Katako du Niamey. Oumu Umaru est parti à sa rencontre. Écoutons leur entretien. ai ka nere ndi zaza iginera koppi zeyla falowi zeyra wato din cenni glasi ner wato lede sino si leda bay hanga si zeyra no ni gadan da forme manere bara se mani hanga si zo gisi ir kol barkaram mo alhamdulillah ai na gomno nga gumo don ba makko koy ai ga koy walay may kambo windi cin amma kur kur koy mana ko dora site hir gine kan ne rando sintin kaso wallahi mun ne kaso ngo la to jiro ranka zamba ay fo si bare boyan yanka kaso ngo jir marje wara bure hinno gande wal mai hinno gande ni ga la fo ha kwar bare gidai dai amma bora dai ne gidai gumu zama han bon koy ham koy din no ga dai mo da farme ni ga bara gumu ima dan hamora kanan diga nera to fa koy wai funti da glas kai ga dan ha hamora da mo man da ima kanan ha hamora subai ma habbiya ka hamo nera subai kullai ga kwanda yi gidai da hamo cindi wato dai gite yawure gite disapai gite bossai tele mahari amma su go dai lemo cada ya kul cada lemo hinna na gite amma bifo mbo kai tele mahari al me hawo ga wallahi do ba zan bar wari ba bisa mbo zama yi subai ga wiwi bumbo da fo tu sujinda gomde kandu nerando kandi tira wallahi sujinda gomde kan ay gogay murado kul ferare si kamba garu bor fosi zama ay goga neranda gogay murado te ay si garo ay si ne bor fo mayno gomni kurman bisa wodi yari ngani bay kan ay na fara wala na fo kurman ba wodi fo seno bor ga hatte kanim na fa libe du sande nerando wara denjo sande gono fa zama fo en faktiro ga kala zambar wacin goya am fo zambar wacin ne zayan denjo dai tay ay masala jina funa in bakatal kaise bakatal kaise bay kan tal kaino gongay murado ko te zamni jale go bara kurjare ndirma nere isidu ndir nere igadu yadinga yin bakattal kaise im zabir se nijele koga dirman denjo han asite dinna denjo han agate yadinga im bakar irse im zabir se denjo ga to son tiengo kan ligte dangane borise way boray se kayen ka koli ah kamba koli yan sino babur babor kuryon danin hijin se koli ni ga amanga wanate ni mani ta o kur zari ngo da borgo ba ni kurngi sinda da ni gonda ni gani bango da dabu zaman izai zai kai bor kursi ba mu no ni sundandi da ni gondan dalwai ni goro maji sai dai ka sai abon bor kursi bai gor kasini si bai bor fosi bai amma wo dai tin sin sinda ni iza mu kai kai bor fosi ifo no ga zan kai sara kalan wari jangai da bora singa dola mu kai tare Albora ma no waran ka waran zawai ala akwai kuto to chindo zango hinka zango deja bara sara nyasi hinka gai babu hinka gai gunda dayno giza sara kal izi gonga sa kal irkoi nims koi non ni chalasi kane ayuno ayno te bani sinda firgo ba hay ni hinka ka te ni muradoti zamano kala ni irgo irwai borai go hijibo mante alborai no go hijir ma hinsuru izai sandi zamo hal kula musu ya dinga boram gornga izai ram sidi fuli am après ce portrait très inspirant, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique, dans cette émission, nous vous proposons Burema Disco avec le titre Timmy. mesdames et messieurs, à l'instant, c'était bien bourré ma Disco hein, avec le titre Jimmy. Fanta, c'est l'heure du loti du jour. Oui, c'est nous. Le loti du desk femme de studio Kalangu parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons euh, disposent euh, de puits et souvent, ces puits ne sont pas ouverts. Hum, quelques, hum, quelques quelques inconvénients, liés à la <laughs> non-fermeture euh, des puits dans une maison où des enfants jouent. Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rakia Arimi. Hey! duniya mana tsayanan fa kaka matsa la ilaha illallah ina ta yi kuma ina fatan dai ba kwana take yi ba kamar yadda ta saba ramu ramu ramu allah waye ki kwala mini kira a wannan lokacin haba ramu me kike yi cikin daki ga ɗanki nan shi kaɗai cikin hilin gida kaɗan yayi saura ya hwaɗa cin rijiya ni subhanallahi <laughs> habibu habibu ina ma yake na shiga uku dan labo kuwa shi nan kusa to kai Allah na gode muka Allah ɗaya san abin da zai faru inda ban toba a daidai wannan lokaci na gane shi kusa ga rijiya yana neman kamo abin wasan shi da ya hwaɗi can sama ha ai da sai ya hwaɗi ciki kuma in ya hwaɗa ciki wallahi ba ku sani hmm, ni Allah da na rasa ɗana da me zan ce ma uban in ya zo yanzu dai Allah ya sa an yi sa'a babu abun da ya same shi amma ga hannu ba ni iya ganewa ya zaki ki bar ɗanki ɗan ƙarami yaro kamar habibu yana wasa shi kaɗai cikin hilin gida ha kuma kin sani sarai da wannan rijiyar a buɗe take ba a ruhe ba ai wannan hatsari ne gare ku a cikin gidan nan da baki sani ba hmm. bari ami wallahi kin san da kwance ho muke tare kamun barci ya ɗoke ni kuma kullum tare muke barcin rana kuma in ba yau ba ma bai zuwa can wurin kuma zancen rijiya da kike kullum ina jan hankalin ɗan aikin nan ya ringa rihe idan ya gama ba ma itace ruwa. Ban ce a bakina da gaskiya, amma ya kamata ki ƙara mai da hankali. Ki zan kula da kanki da rihe wannan rijiyar in aka kare komi da ake yi da ita ke ya kamata ki zan lura da ruhe ta. Kuma ma, ban ma san da me yasa kuke rike da rijiya cikin gida ba cikin wannan zamanin da ko ina ga famfo kuma kuma ga ku da famfo cikin gida hmm. baban habibu wallahi in na mishi zancen a kashe wannan rijiyar sai ka mun zancen wai shi'a zai yi wani furaji da ita haba abu ne mai kyau amma kafin nan ya kamata ya tambayi manyan masana su ya kamata su gaya mishi bisa kan yadda abubuwan da ya kamata a girmama kahin a yi wannan furaji kahin nan kuma ya kamata ku kare wannan rijiyar a rihe ta da wani raga ko da wani abu kahin ma a buɗe a samu a yi forage ɗin har ma saboda yara. Hmm. ya ce mini ya yi hira da su na san nan gaba za su zo su yi aikinsu. To hakan ya yi kyau amma ya kamata ki ƙara mai da hankali ki zan kula da yaron nan kahin a ƙare wannan aikin forage. Ke bari ba yaron bari jiyan ma da kaina ni zan ringa kula da ita kahin su tashi gina forage kin gana shi. To madalla, shiga shi ne har na mamance abin da ya kani gidanki. Kai ba dole ba. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Fanta, on prend une pause et on se retrouve après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, à présent, on passe à la culture linguistique. Et aujourd'hui, ce sera avec Alassane Abdou Mohamed, le rédacteur en chef du studio Kalangu. Avec lui, nous allons découvrir ce que signifie le mot solidarité en français et en zarma. Bonjour à la Alassane. Bonjour Fanta, bonjour Sino. Alors aujourd'hui nous avons euh, décidé de choisir le mot solidarité et en lien avec l'actualité, vous savez très bien ce qui se passe à, dans plusieurs zones de notre pays, notamment à Difa avec le conflit, à, dans la zone de trois frontières notamment, à Tilaberi, Tawa également, euh, un peu partout. Donc il y a ça et nous venons de faire aussi une fête euh, tout récemment, la fête des Tabaski. Donc le mot solidarité à sa place. Donc la solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe. Deux personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. Il faut cependant noter que euh, dans la société, la solidarité reste importante pour lutter contre l'isolement. Quand il y a un problème dans une société, ou même dans une famille et que tout le monde t'isole, c'est un grand problème. Ça peut aboutir à des suicides, à beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est toujours important d'avoir, euh, d'être solidaire envers son prochain. Mais quelles sont les valeurs de la solidarité La solidarité a des valeurs humaines qui sont nombreuses, notamment euh, c'est le respect, c'est l'acceptation, c'est la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la coopération, le civisme, l'honnêteté, l'action juste, le partage, l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'empathie envers d'autres humains. Voilà quelques valeurs parce qu'il y en a plusieurs et je sais que si je vais les étaler, elle va commencer à crier ici. Exactement. <laughs> Donc, euh, <laughs> euh, c'est ces valeurs-là euh, qu'il faut avoir pour parler de solidarité. Exact. En solidarité, il y a mini nyezo mo bani nyezo nyezi tare no nyezi tare mo barkan nyezi tare hal nyezi tare go kulu bore sikir fayanka hal nyezi tare go kulu bore simor kir hal nyezi go kulu irgi hinku wa hari bobo al miyalra na hanga sino mo bai bahu ne kan rago ni zo ni gorka sino ni baba ni nya ikulu mo bai hankan rago zam dinu bora ka kabe

cet éclaircissement sur le mot solidarité. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Voilà, euh, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. Tunana Mansour Abbas. dan tasawa ne ni haifafan tasawa gari wannan shiri da ake yi gaskiya yana kawatar da mu sosai muna jin daɗin shi yadda ya kamata domin ana raya muna al'adu abubuwa da suke suna gamsar da mu sosai ta hanyar nan ne muke samun labarai wanda suke sun kamata na kasa ma gaba ɗaya har da wani saura na ƙetare to wannan shiri gaskiya na studio kalangu da ake ya kamata an san samu ne a ce an ɗan ƙara mai wani lokaci wanda yake yana ɗan kaitar da jama'a saboda ana yin shi ne ɗan lokaci lokacin da kake saurare kuma sai ga an ɗan abin nan eh ya wale isu ina sauraron radiyon studio kalangu sosai saboda abin da yasa na liƙe mai nake sauraron shi duk lokaci zuwa lokaci saboda shi da kajiya ya karda ba su karda kamzan kurege kamar da hausa ke cewa su da kaji sun yi labaru na gaskiya ne kuma akwai shirye-shirye wanda suke burge ni musamman ma shirin yara da kuma galgajiya wannan shirin yana burge ni sosai kaji abu da yasa muke bibiyar studio kalangu sosai sosai to abin da nake so su kara kuma kenan a samu wani hili haka a yi na eh, wata kacici kacici haka da wani harkar wasan kwaikwayo haka a sanya in yi so a kara nishadantar da mutane Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même, Ali Ouseni, c'est nous. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro avec euh, un autre duo. À la technique, c'était Mustapha Ayubaya et qui à l'édition. Ciao, ciao!